le forum du studio le le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Merci de nous écouter notamment à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs de région. Merci aussi de nous suivre surtout à Agadez où nous délocalisons pour la première fois ce forum, une façon d'être plus proche de celles et ceux qui nous écoutent, une façon plus vivante de parler de leurs préoccupations du moment. À Agadez, parmi ces préoccupations figure le paiement de la taxe professionnelle aux communes dans lesquelles des mines sont exploitées le forum du studio Kalangu, délocalisé à Agadez. C'est une série de quatre numéros exclusivement consacrés à la région. C'est avec le concours de la radio Sahara FM qui nous offre son studio pour les différents enregistrements. Chers auditeurs, le 20 mars dernier, tous les élus locaux de la région d'Agadez ont dénoncé à l'unanimité dans une déclaration publique le refus de trois sociétés, à savoir les deux filiales d'Ariva, Somaïr et Cominac, et la Sonichar, de mettre les communes dans certains de leurs droits. Selon les élus locaux, ces sociétés ne payent pas depuis un certain temps la seule taxe qui revient entièrement aux populations subissant les effets néfastes et directs des activités industrielles. Il s'agit de la taxe professionnelle. La taxe professionnelle est définie comme étant un impôt direct perçu au profit des collectivités territoriales sur les personnes physiques ou morales exerçant une profession industrielle commercial ou libéral. Selon les élus, le montant total non encore restitué par la Somaïr et la commune filiale d'Arriva et la Sonichar avoisinerait les 4 milliards de francs CFA. L'argent, si le versé doit financer les actions de développement, on verra avec euh, les invités. La question du paiement de la taxe professionnelle et l'impact de l'exploitation des mines sur l'environnement, c'est de cela que nous débattons avec la participation du maire de la commune de Chirozirine, M. Issouf Agmaha, Bonsoir, monsieur le maire. Merci d'être venu. Merci à vous aussi. Avec la participation aussi du représentant de la Sonichar, une des sociétés incriminées, à la personne de Tiassa Issoufou, conseiller du directeur général de la Sonichar. Monsieur Tiassa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Et avec la participation aussi de monsieur Salifou Manzo, acteur de la société civile d'Agadez. Il faut aussi dire que nous avons pris contact avec la compagnie Areva qui malheureusement n'a pas fait suite à notre demande pour une participation à ce deuxième numéro du forum exclusivement consacré à la région d'Agadez. Dans cette première partie de cette causerie, nous allons tenter de comprendre d'abord ce que c'est la taxe professionnelle. Je vais donner la parole à Monsieur le maire puisque c'est vous qui l'avez évoqué. La taxe professionnelle en tant que telle, c'est ce qu'on appelait avant la contribution des patentes. La taxe professionnelle, c'est un impôt direct qui est rétrocédé entièrement aux collectivités territoriales. C'est toute la taxe. 100% de la taxe professionnelle va aux collectivités territoriales, notamment 20% pour la région, 80% pour la commune. Dans le cas d'Agadez, si vous avez une somme bien indiquée de la taxe professionnelle, toute la taxe vous revient. Si et euh, dans cette euh, euh, puis après vous reparticipez entre vous, pour, le cas spécifique de la oui. s'il devait s'acquitter de cette taxe, 80% du montant revient à la commune et 20% au conseil régional. La commune de Tirozérine. La commune de Tirozérine. Voilà. C'est ça que c'est ça que dit la loi. On va s'arrêter là en donnant la parole à Monsieur euh, Tchassa, euh, qui est le conseiller du directeur général et qui va donner expliquer son entendement de la taxe professionnelle. C'est comme il a dit, c'est comme ça. allez-y. La taxe professionnelle, effectivement, ça devrait, ça représente ce qu'on appelle la patente. L'explication de la meilleure devrait venir de celui qui en bénéficie. Donc, en l'occurrence, monsieur le maire, le moment venu, moi, je me, prononcerai, par rapport à est-ce qu'on doit payer, est-ce qu'on ne doit pas payer. Oui, ça, c'est la question de fond. Euh, monsieur Manzo, votre définition et votre entendement de la taxe euh, professionnelle en tout cas, la, taxe, la taxe professionnelle, comme l'avait défini Monsieur le maire, c'est un impôt entièrement rétrocédé par l'État aux collectivités territoriales. Et cet impôt est prélevé au niveau de toute euh, personne physique ou morale, en tout cas qui exerce une activité industrielle au niveau d'une région. Monsieur le maire, votre commune est concernée par le paiement de la taxe professionnelle. Entièrement. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Pour le cas de Tirozérine. Pour le cas de Tirozérine, c'est un impôt comme un autre. En fait, c'est une taxe comme une autre. Sauf que pour le cas de figure, c'est des impôts qui sont rétrocédés par l'État, mais dont le recouvrement revient encore à la charge de l'État. C'est-à-dire c'est les services des impôts qui doivent recouvrer et, <coughs> faire la répartition. Vous, vous êtes là et puis en tant que commune, pour l'instant, on, après, vous l'argent. Voilà, pour, l'instant, on n'est pas habilité, nous, en tant que commune ou région, s'adresser à la Sonchar ou à la, SONMAIR ou à la Cominac pour demander le paiement de la taxe. C'est à l'État de le faire parce que c'est à l'État qui a rétrocédé, mais le recouvrement reste encore à la charge de l'État. Mais vous avez quand même fait une déclaration, apparemment vous en avez assez. Quelle est la situation exacte de cette taxe professionnelle Nous allons prendre votre commune, ou si vous voulez, au-delà de la commune de Tirozirine, mhm. euh, toutes les communes de, la région d'Agadez qui sont concernées. Vous avez une situation exacte Vous avez parlé de 4 milliards qui n'ont pas été versés. Quelles sont d'abord les sociétés qui sont concernées ben, Pour ce qui concerne, spécialement Tirozirine, c'est uniquement la Sonichard Maintenant, Arlit, c'est d'autres, d'autres sociétés, la Somaïr et la Cominac notamment. Pour ce qui est de, de la Sonichar, nous avons des impositions qui ont été faites, il y a eu un début de paiement. en gros, vous nous, avez parlé de 4 milliards. Est-ce que c'est la somme exacte Oui, environ. on n'a pas les chiffres, pour la région d'Agadez. Globalement, ça fait dans les 4 milliards. Pour toutes les communes Pour toutes les communes. Et quelles sont les sociétés qui sont incriminées C'est les trois. C'est la Sonichar, la Cominac la Somaïr. Pourquoi c'est les trois sociétés ben, C'est elles qui sont actuellement euh, en train d'exploiter. C'est ça les entreprises qui ne payent pas. Toutes les autres petites sociétés, elles payent, on, reçoit l'argent. Ce sont que les trois. Un exemple de société qui paye Mais, En dehors des trois que, dont vous avez parlé Toutes les petites entreprises qui sont dans, cette région-là. Quand vous regardez au niveau des services des impôts, il y a le recouvrement de la taxe professionnelle. Et à chaque fois, on a la répartition. Moi, je n'ai pas exactement les, Mais à chaque fois, si vous regardez les comptes, vous regardez la comptabilité des impôts au niveau régional. La taxe professionnelle ressort et s'est rétrocédée à 100% aux communes et à la région. Hmm. Donc, sauf pour les trois sauf pour les trois sociétés. Monsieur hmm. Manzo, vous, étiez, vous êtes un acteur de la société civile. Euh, vous étiez d'ailleurs avec les élus qui ont fait hmm. cette déclaration. quelle est euh, la situation dont vous disposez Est-ce que c'est 4 milliards Et euh, est-ce que c'est uniquement les trois sociétés qui sont concernées oui, comme, comme il avait dit, c'est une taxe qui est recouvrée à travers les services des impôts et que d'après la dernière analyse donc, euh, nous avons compris qu'effectivement, c'est les deux filiales, comme vous l'avez dit, de l'Areva, à savoir la Somaïre et la Cominac, et Sonichar, qui n'arrivent pas à s'acquitter de cette taxe. Donc, on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi ces, ces sociétés qui ont fait plus de, de 40 ans en train d'exploiter les ressources minières, et nous avons vu comment elles ont organisé des pillages et qui n'arrivent pas à s'acquitter de la seule taxe qui revient directement à la population. Et nous savons qu'actuellement, la taxe proportionnelle, même la petite vendeuse de beignets, en tout cas, s'acquitte de cette, de cette taxe. Donc nous ne comprenons pas aujourd'hui pourquoi ces trois sociétés refusent toujours de verser, de payer cette somme. Mm. Et que nous savons que c'est l'argent, cette somme-là, ça va directement en appui aux différentes euh, communes, aux 15 communes de la région. Donc vous aussi, dans vos investigations, vous avez, vous, êtes arrivé à, euh, au fait qu'effectivement, ces sociétés ne payent pas. Bien sûr. C'est clair ça. Et au-delà, nous pouvons faire des, des, certaines révélations, en tout cas à ce qui concerne les pratiques, effectivement. on va revenir à ces révélations si le temps nous le permet. Mais comme nous avons eu la chance... Euh, d'avoir une société qui est incriminée et qui a bien voulu venir donner des éclaircissements. Euh, en dehors de Areva, nous avons la Sonichar, représentée par M. Chassa Issoufou, qui est le conseiller du directeur général de la Sonichar. M. Chassa, votre société, la Sonichar, est incriminée. Est-ce que euh, c'est cela Vous payez la taxe professionnelle Est-ce que vous devez d'abord payer la taxe professionnelle Et est-ce que vous l'avez payé ou vous ne l'avez pas payé Merci beaucoup. Et vraiment, c'est une très belle opportunité pour nous, pour nous prononcer à ce sujet-là. Parce qu'il est important quand le commun de la population apprend que la Sonicha ne paie pas cette taxe-là, qui est payée même par la vendeuse de beignets, qu'elle se pose des questions. En fait, il est important de préciser également que nous ne refusons pas de payer, mais nous ne payons pas. Il y a une grande nuance. nous n'avons jamais payé cette taxe-là. Jamais. Pourquoi Parce que nous sommes exonérés, du paiement de cette taxe-là. Il y a la... Exonéré, veut ça veut dire que l'État, de par notre convention, nous permet de ne pas payer cette taxe-là. Nous sommes déclarés comme entreprise stratégique, comme entreprise prioritaire de par notre convention, de par la loi 74-18 du 11 mars 1974. C'est la loi du, du 11 mars 1974. entreprise stratégique, ça veut dire stratégique, ça veut dire que c'est une du fait que dans la zone nord, nous sommes la seule société à même de garantir la production, l'alimentation en énergie et que l'énergie, c'est un élément clé dans le développement d'une région. Vous, vous produisez l'énergie On produit l'énergie électrique au profit de la région. Pour les deux sociétés minières et pour les villes induites d'Agadez, d'Arlit et de Tirozirène. Voici ce que nous faisons. Et de ce fait, on nous a déclaré comme entreprise prioritaire ou, entreprise stratégique. Et dans ce cadre-là, nous avons bénéficié d'une convention qui nous exonore du paiement de ces taxes-là. Je vais poursuivre pour dire que de fait, qu'on nous a exonérés du paiement de ces taxes-là, quelque part, l'État nous a imposé le tarif de vente de l'électricité. Le, tarif de vente. Aujourd'hui, si vous produisez l'électricité par votre groupe électrogène, vous n'avez pas le kilowattheure à moins de 200 francs. Ça, je vous dis, Partout. Vous ne pouvez pas produire le kilowattheure à moins de 200 francs. Nous, nous le produisons et nous le vendons à la Nigélec à 56 francs et aux sociétés minières à environ 100 francs. Si nous devons voler de nos propres ailes, sans ces de compensation, ces d'exonération. comme, la taxe professionnelle. la taxe professionnelle, autre là, nous devrons, on doit revoir le prix de, vente de l'énergie. Nous d'abord, nous n'avons pas de contrat avec les particuliers. C'est à la Nigeria que nous vendons. Je vous parlez de des communes des, des communes, au niveau de la population. Nous vendons à la Nigélec qui vend à la population. Si la Nigélec ne reçoit pas ce prix-là, il faudrait qu'elle retourne vers l'État pour voir comment elle va vendre cette électricité-là à la population pour que ça puisse, euh, les deux puissent euh, s'en sortir. Et la population et la Nigélec. Maintenant, un autre élément, c'est que plus du fait qu'on nous a imposé ce prix de vente de l'électricité, c'est que la population ne l'avons pas laissé en reste. Chaque année, c'est environ 700 millions que nous injectons d'elle les appuis. Chaque nous allons revenir sur cet aspect. Mais pour le moment, nous retenons que vous êtes une entreprise stratégique et pour cela, vous êtes dédouané de payer la taxe professionnelle. Monsieur le maire, vous, vous êtes le maire de la commune de Tirozirine. Mhm. Vous savez ce qui se passe puisque c'est dans, votre commune que la a est implantée. Et entreprise stratégique, c'est le terme utilisé. Est-ce que vous êtes d'accord et pour cela vous euh, De toute façon, ce n'est pas une question de terme. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une convention d'établissement entre l'État du Niger et la Sonichar qui date de 1977. 77. Oui, cette, cette convention, cette convention-là, elle tire sa substance d'une loi la loi 74-18, comme il dit, du 11 mars. Je pose une question d'abord sur une précision sur la taxe. Depuis quand la taxe professionnelle est payée Que ce soit la Sonichar ou bien les autres. Elle ah, euh, a de tout temps été payée par les autres sociétés, enfin par les autres euh, euh, entreprises. la Sonichar, il y a eu un début de paiement en 2015. En 2015. J'ai les copies des chèques, il y a eu des, paiements hmm. qui ont été faits. Maintenant, après, ils ont fait ils sont revenus à la charge. En 2015, ils ont payé. Oui, oui, ils ont payé une partie. Ils ont commencé à payer. Il y a même eu un échéancier, il y a environ 200 millions qui ont été payés. 200 millions en 2015. Oui, oui. Et donc, euh, ils, sont, ils, sont, sont revenus là-dessus pour dire qu'ils sont exonérés. OK. Maintenant, cette exonération-là, c'est ça qu'il est important de décortiquer. Il ne s'agit pas de dire, moi je suis exonéré. Mais il faut voir les papiers, il faut voir les textes, il faut voir les articles qui vous exonèrent. C'est quoi la convention s'appuie sur la loi du Code des investissements de 1974. Le Code des investissements a été, la loi a été modifiée, remodifiée, remodifiée. Et la dernière version, c'est celle de, 2014. Euh, et celle-là, nulle part, elle ne les exonore de rien. 2014. 2014. Mieux, quand vous regardez la convention même de la SONICHA, je crois que ça à son article 3, ils ont le régime, ce qui les favorise, ce qui, disons, ce qui les protège, c'est ce qu'on appelle le régime conventionnel. Ce régime conventionnel, il leur a été accordé. Et la convention précise exactement qu'il a une durée de 15 ans à partir du 5 décembre, euh, du 5 décembre 77, il me semble. Donc, c'est très précis. On a donné une date à partir de laquelle, après 15 ans, ce régime tombe. Parce que si on s'en réfère uniquement. à... ce régime-là est tombé déjà. Il est depuis longtemps. C'est après que la loi 2014 est venue. Oui, oui. Même la loi 2014 et même toutes les lois ont précisé quand même, il faut savoir ce que c'est qu'un code des investissements. C'est pour favoriser, c'est pour appeler les investisseurs en leur proposant des facilités fiscales notamment. Mais ça ne peut pas être un défi. pour, le, code minier, Voilà, pour le code minier, il est précisé que c'est trois ans à partir de la, de la première année d'exploitation. Pour la loi sur la, loi de 2014 sur le code des investissements, on parle de 7 ans. Pour la convention de Sonichard, on parle de 15 ans. L'un dans l'autre, tout a s'est passé parce qu'on est prêt. Donc la Sonichard a déjà épuisé ses 15 complètement. ans. Il n'y a plus eu de renouvellement. Aucun acte, après ces, documents-là, il n'y a eu aucun acte qui nous dit que, en dérogation des conventions, voilà, elles sont exemptées des euh, Monsieur Manzo Oui. Est-ce que la SONICHAR est astreint euh, à payer, euh, puisque c'est le représentant qui est là Malheureusement, Areva n'est pas là. Est-ce que c'est le cas Société stratégique, entreprise stratégique, est-ce que ça tient Est-ce que la, euh, SONICHAR est dédouanée de taxes professionnelles Merci. Et je ne suis pas contre une loi, mais nous sommes tous des Nigériens et nous évoluons pour le développement du pays. Et aujourd'hui, voilà une société qui, qui mène ses activités pendant plus de 40 ans. Vous parlez de la Sonichar De la Sonichar d'abord, et qui aujourd'hui a accru ses, potentialités. Quand vous prenez par exemple l'électricité dont il a parlé, la Sonichar aujourd'hui ne pouvait pas dépasser la production de 10 MW, je crois bien. Et que les, 10 MW sont insuffisantes, sont insuffisants du moins pour satisfaire les besoins en électricité de la ville d'Agadez, ville d'Arlit, ville de Tiro, et les deux sociétés d'Arlit. Et même elle, la Solicha. Il, il, se, passe que les, sociétés, quand vous prenez Cominac et Somaer elles ont la capacité de produire à leur sein autant de kilowatts qu'ils peuvent pour leur fonctionnement. Mais voilà, ils prennent en otage la petite production d'électricité qui sera eh, distribuée à la population et nous savons que comment ces, ces sociétés sont plus fortes que même l'État du Et voilà ces sociétés en tout cas qui prennent en otage. Donc vous voulez dire que Sonichar est beaucoup plus commerçante Effectivement. Euh, une Effectivement, parce que nous avons compris que, au, fait, la Sonichar vend au plus offrant. La Sonichar vend au plus offrant. Nous allons retenir deux thèmes, Monsieur Tiassa. Euh, le fait que vous parlez d'entreprise stratégique euh, pour le maire, ça ne tient pas et que depuis 2014, euh, vous n'êtes plus sur la loi qui vous permet de, ne pas payer le code d'investissement, si je vous comprends bien. Donc, euh, et autre chose, vous faites beaucoup plus du commerce avec les entreprises, les grosses entreprises comme la Somaïr, la Cominac, euh, que vous nous préoccupez des populations. Il y a vraiment des éléments, si vous me donnez le temps. Par rapport euh, au paiement, je précise que ce qui s'est passé en 2015, c'était une caution. C'était une caution que la Sonichar a eu à verser le temps d'éclaircir sa situation et la mairie ne devrait même pas. La, mairie ne devrait pas toucher le chèque qu'on avait qu'on avait déposé. C'était une caution. La mairie l'a touché. Elle l'a touché. Vous n'avez rien dit On va continuer parce qu'en ce temps-là, nous n'avons pas la, situation, notre situation n'est pas claire. Maintenant, on va voir comment gérer ça. Par rapport à la loi de 2014 dont elle parle, il est important de savoir que par rapport à notre convention, nous avons ce qu'on appelle la stabilité du régime fiscal. En d'autres termes, tant que notre convention est active et courante, un autre impôt qui vient de naître ne peut pas agir sur nous. Ça, il faut vérifier notre convention. L'article 25 de notre convention nous garantit ce qu'on appelle la, stabilité du régime fiscal. C'est très important. Maintenant, par rapport au renouvellement, il y a, en vertu de l'article 22 de la convention, l'avenant numéro 1 en date du 18 novembre 1996 a prorogé la dite convention expirée le 31 décembre 1996 pour une durée de 7 ans, puis un deuxième avenant en date du 31 décembre 2003 prolonger une deuxième fois la dite convention pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2004. Expire le 31 décembre 2013. Enfin, par décret numéro 2016, barre 073 PRN MEP MMDIMEF du 26 janvier 2016, la convention d'établissement entre la République du Niger et la Société nigérienne du charbon de signée le 1er septembre 1977 est prorogée pour une durée de 5 ans. Ce décret prend effet à compter du 1er janvier 2014. C'est pour dire que notre convention, elle est bien en vigueur. Donc, euh, il y a eu des prolongements. Il y a, eu un prolongement. Nous avons jusqu'à 2018. 2018, 2018 vous, ne payez pas de taxes professionnelles. C'est dans cette convention. Oui. Monsieur le maire, laissez-moi terminer s'il vous plaît. rapidement, et puis on va passer à autre. Par rapport au code minier, je précise que notre convention n'est pas le code minier. C'est une convention parce que nous sommes à cheval sur l'électricité et la mine. C'est l'une des difficultés d'ailleurs qu'on a eu pour renouveler la convention. Et on a préféré la reconduire à l'identique le temps qu'on définisse quel régime nous applique. Et quand on vous reproche d'être beaucoup plus commerçant que de penser aux populations Si nous sommes commerçants, nous n'allons pas vendre le, prix du kilowatt à 50 francs. Maintenant. Ça c'est à la Nigélec Ça c'est à la Nigélec. Maintenant, qu'est-ce qui fait que par rapport à ce qu'il dit, on vend aux autres on ne peut pas continuer à vendre à quelqu'un si lui ne nous permet pas de survivre, il faut que nous survivons. Les minés, ils nous payent. La Nigélec ne nous paye pas. Est-ce que nous pouvons continuer même à vous assurer le minimum que nous nous assurons si on n'a pas, pas de recettes? Le minimum des choses, au moins, c'est de vendre à la fois et à la Nigélec et aux miniers. Un élément important, on ne privilégie personne. Quand la capacité n'est pas suffisante, d'ailleurs, n'est pas 10 MW. En fait, au moins 36. 36 mégawatts, Au profit ah, de la population. Au profit de, l'ensemble de la zone. au moins 36. Y compris les y sociétés. Compris les sociétés. 36 mégawatts. Maintenant, quand, 36, souvent on dépasse 36, 37, 38. Maintenant, quand c'est pas suffisant, il y a ce qu'on appelle un délestage tournant que nous faisons. Les techniciens des trois sociétés ou des quatre sociétés plutôt que nous-mêmes, Cominac et Somaïr, se réunissent pour établir un de stages pardon tournant. Monsieur le maire, vous êtes euh, un peu interpellé. Allez-y rapidement, après on va demander à quoi sert Ce qu'il faut, préciser, c'est que la convention en elle-même, n'est pas contestée. La convention, elle est prorogée, elle est d'actualité, mais c'est le fond qu'il faut regarder. C'est le fond qu'il faut regarder. Non seulement en son sein, la, convention, elle précise sa durée, en tout cas par rapport au, au, aux fiscalités que c'est à partir de telle année, même le jour est précisé, sur 15 ans. Ça, c'est un. Deuxièmement, la convention ne peut pas être au-dessus de la loi. Cette au-dessus de la loi 2014 Au-dessus de la loi tout court. Parce qu'elle tire sa substance d'une loi. Une loi, lorsqu'elle est modifiée, elle est morte. C'est terminé. On ne peut pas se dire, OK, moi, je vais retourner à 1960 pour prendre un article d'une loi pour qu'elle me soit appliquée. Non. Une loi, quand elle est morte, elle est morte. C'est la nouvelle loi qu'il faut appliquer. Sauf, il est bien précis, sauf dérogation, et cette dérogation doit être spécifiée par écrit, par l'État. C'est de ça qu'il a, qu'il a, parlé. Il n'y a, pas cet écrit-là. Il n'y a pas cette dérogation. Il y a un certain qui ont été énumérés. non, non, non, non on, a tout parcouru, Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous entendre euh, si euh, Sonichar ou Areva refuse de payer De toute façon, le problème, c'est qu'il faut savoir, nous, notre interlocuteur, c'est pas la Sonichar. La Sonichar, elle est victime comme nous. Pourquoi Parce que le montage qui a été fait de la Char, ça s'appelle de l'obsolescence programmée. C'est une société qui est, condamnée à mourir. Parce que tout simplement, dès la conception, aujourd'hui, si on demande à la société... Vous avez combien d'années C'est 40 ans. ans Laissez-moi finir si vous, Allez-y. Voilà une société qui pompe des millions de mètres cubes d'une nappe fossile au détriment des générations futures, qui pompe des millions de mètres, de mètres cubes de charbon gratuitement c'est des ressources naturelles de l'État qu'elle pompe gratuitement. Et dire qu'elle ne tire aucun profit parce que l'État ne tire rien dedans, juste pour satisfaire les filiales d'Areva. C'est ça qu'il faut savoir. À l'époque, quand ça a été fait, c'est pour satisfaire Areva. Et aujourd'hui, on est là-dedans. Ils sont victimes au même titre que nous. Ils trouvent des parades pour échapper à des taxes Juste parce qu'ils sont dans une situation C'est le prix, c'est ça qu'il faut revoir, c'est le prix. Ça doit être fait, le prix de revient, c'est ça qu'il faut revoir D'abord, par rapport à la, durée de vie, la Sonichara a encore deux jours devant elle. Nous avons un projet de remplacement des tranches actuelles par deux de 25 MW pour avoir 50 pour suffire pour toute la région. Ce projet est techniquement ficelé, il ne reste que le financement qui est en très bonne voie. L'État sait très bien ce qu'il faisait en nous donnant cette convention-là. Monsieur Moi, oui. à quoi sert cet argent pour lequel il y a polémique entre les communes et puis les sociétés Mais l'argent, là, directement, ça vient en appui au développement, au plan de développement de toutes ces communes-là, toutes les 15 communes. Nous avons vu comment ces redevances, en tout cas, constituent la majeure partie de ce que les mairies peuvent gagner. Et dans leur programme, toujours, ils insèrent là, dans leur PDC, cette somme-là qui vient directement en, appui à ces, à ces différentes communes. Et moi, je crois que aujourd'hui, il n'y a pas polémique à faire. Ces sociétés-là qui n'ont pas versé, elles doivent systématiquement verser. ni au-dessus de la loi. Nous ne contestons pas les conventions, mais je crois que dans un pays qui se respecte, une loi, c'est une loi, et elle doit taper n'importe qui. Il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre à table à cette énergie. Donc, qui recevez l'argent, voilà. Hein, vous avez eu déjà 200 millions. Exactement. Ce qu'il faut préciser. dans vos budgets chaque fois voilà. ces, histoires de taxes. qu'il faut préciser. Qu'est-ce que ça sert aux populations mhm. Où est-ce que vous l'utilisez Il y a une question de fond. Il faut aller sur des principes. Le premier principe de base, c'est que quand même l'État du Niger s'est engagé pour la décentralisation. Et le maître d'ouvrage du développement local, c'est la commune. À ce titre, la commune, elle élabore son budget sur la base de toutes les taxes potentielles qu'elle peut mobiliser. Et la taxe professionnelle fait partie. Elle prévoit les, les, les recettes elle prévoit les dépenses pour, pour en fonctionnement pour et en investissement pour, la commune de Tirozé. Euh, voilà combien d'années Peut-être 4 euh, ans ah Non, j'allais dire 2-3 ans que vous n'avez en tout cas, vous n'avez pas eu pour la Sonicha. Pour 2016 Qu'est-ce que ça a causé comme tort Qu'est-ce que ça a causé comme tort ça, a causé, ça a causé que tout, notre plan de développement communal est, est tombé à l'eau. Tous nos budgets 2016 et 2017 sont tombés à l'eau pour l'instant. Concrètement, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire Mais tout ce qui est prévu dans le vous savez, les communes ont ce qu'on appelle un PDC, le plan, de, développement communal, c'est un certain nombre d'années. Et chaque année, on fait le PIA, le plan d'investissement annuel. Ce plan d'investissement annuel, il a l'entrée et la sortie. L'entrée, c'est entre autres toutes ces taxes-là. Quand elles ne rentrent pas, tout ce qu'on a prévu, ça tombe à l'eau. Au niveau de l'hydraulique, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, tout ça là, ça tombe systématiquement. Zéro investissement. C'est ça depuis, depuis deux ans Depuis deux ans. Monsieur Tchassa, de la Sourichard, ça fait plus de 40 ans que vous êtes quand même à Vous n'avez rien fait, peut-on dire ça Non. Au vu des populations Non, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Allez-y. On a même beaucoup fait. Mais je commence par dire que nous respectons la loi. C'est parce que la loi nous exonère de cette taxe-là que nous la payons pas. C'est important de le dire, nous respectons la loi. En termes d'appui, j'ai dit tout à l'heure en résumé, c'est environ 700 millions que nous injectons chaque année Chacun depuis profit. 40, depuis 40 ans. Pas depuis 40 ans, depuis que je suis à la direction. Ça fait combien d'années Je suis depuis 2011 à la direction. Je sais que ce que nous avons fait avec cette nouvelle direction-là, aucune autre direction, environ, aucune autre direction ne l'a fait par le passé. Je souhaite qu'une autre vienne et, le, fasse davantage. Mais ce n'est pas évident. Je sais de quoi je parle. Les soins, nous les donnons gratuitement. Donc, Quiconque ces, 700 millions servent à ça sert à soigner les populations. Ah, on donne les soins gratuitement. Quiconque part à notre centre médical, il est soigné gratuitement. Même si c'est hospitalisé là-bas, les vous y allez, qui qu'il soit, d'où qu'il vient, on le consulte gratuitement, on le soigne gratuitement. Tous les produits que nous avons là-bas, on les met gratuitement à la disposition de la population qui va se soigner. L'eau, c'est très important de le dire. Depuis la station de pompage là, nous avons neuf, neuf abreuvoirs que nous avons piqués pour le besoin des populations, pour la besoin du bétail et même le jardinage. La population de Tiro, nous lui donnons l'eau gratuitement, même ses environs. Il y a, la, santé, l'eau, les classes, l'éducation. Construction de classes, équipement de classes, le maraîchage, nous donnons des motopompes, nous réhabilitons des puits, c'est des, choses qui sont concrètes. C'est concret. Monsieur le maire. Parce que je sillonne moi-même. Non, je vais répondre. C'est concret. En tout cas, c'est bon comme explication. Ah, moi, je, je, pas fini. suis d'accord. d'accord. Allez-y, c'est important. Le faites vite. L'aspect socioculturel. Quiconque part au niveau des festivals a vu la Sonicha à pied d'œuvre. Tous les forats de la zone, la plupart des forats, on nous a vus à pied, à pied d'œuvre. Ce nous, on nous a vu également. C'est pour dire que toutes les manifestations importantes socio-culturelles de la région, on a vu Sonichar en train de, se battre pour la réussite de l'événement. C'est nous qui faisons l'électrification des lieux. Nous appuyons, par exemple, pour la construction des cases de passage ministérielles. Nous appuyons même pour la restauration des VIP. Donc, la solitaire est là où il faut, en tout cas, partout où il faut appuyer la, population, partout où il faut appuyer l'État. Nous, nous nous sentons en devoir de soutenir l'État. Et vous nous, pensons le faire. Euh, monsieur, monsieur, Moi, je, le maire. Oui, merci. Vraiment, c'est des, mais informations. En, termes d'informations, 700 millions depuis 2011. nous allons prendre juste 4 ans, ça fait quelque chose de 2 milliards. Voilà. Euh, et ça se constate dans la commune de Tirozérine. C'est qu'il faut savoir, ce qu'il faut dire, que sur l'étendue de la commune de Tirozérine. Pour l'instant, j'ai zéro classe. Zéro, classe. Zéro Il n'y a pas de classe du Zéro de classe de santé. Zéro puits. Ça, c'est concret. Même au CEJ, on a des classes. Moi, Même au CEJ. Non, ça, c'est ancien pas cette année, pas, ces, pas, bon, de toute façon, c'est son On parle de ces, on parle de ces 5 ans-là. Oui, mais la Sonichar, il a depuis plus de 40 ans. En 40 ans, la Sonichar a fait quelques classes au niveau du CEG. J'en conviens. Maintenant, par rapport à la santé et à l'eau, c'est extrêmement important de le préciser. Parce qu'à chaque fois, la Sonichar met ça en avant. Mais c'est la convention qui a été signée entre le Niger et la Sonichar qui fait obligation à la Sonichar de donner l'eau à la population ça y est là dans votre combat. Et on fait. Oui. C'est le plus important. Je sais. Vous faites Voilà. Mais ben, vous ne pouvez pas dire on que. A eu <laughs> assez C'est une question de générosité. Nous allons faire. Euh, mais en, termes d'investissement. On va amener la deuxième partie. Non, je, je vais préciser quand même que ce n'est pas votre mission le développement local. Ce n'est pas votre mission vous le mais au moins, au moins, quand vous faites, mm. informer ceux qui ont en charge cette mission-là. Dites-leur qu'on a mm. fait une classe. C'est pour ça qu'à chaque fois, au niveau de nos rubriques, ce qui concerne la société, on met zéro et on le mettra tant que vous nous triez. Juste une minute. Par rapport à ça, s'il vous plaît, c'est parce que nous avons un conseil d'administration à qui nous devrons compte. Nous n'avons pas de compte à rendre à la mairie. C'est très important. Donc c'est important aussi la, que la mairie dise que vous avez la deuxième partie <laughs> sur quand même de la Sonichard. Moi, je crois euh, que, effectivement, si, si aujourd'hui la Sonichard arrive à faire des certaines réalisations, moi, je trouve, ainsi c'est quoi 700 millions pour une société, une multi-internationale. 700 millions par an. Pour une, pour une société qui est en train d'extraire et de produire de l'électricité à ah, c'est quoi 700 millions pour la population. Et même pas un je 1%, au moins 1% pour la commune. Au moins. Moi, je va aborder, c'est extrêmement... on va aborder la deuxième partie de ce. De, non, mais il faut finir avec cet aspect. Il faut, au moins accepter de donner 1% de ces 700 à la commune mhm. dans laquelle vous faites l'exploitation. Vous voulez plus précis, mais quand même, les populations en ont bénéficié. Vous êtes d'accord avec moi Non, mais justement, j'ai. Bon, d'accord, ok. En tout cas, il y a une précision importante. Hein. Peut-être dans d'autres communes, Il y a une précision importante. Hein. Vraiment, les gens confondent la Sonichar aux sociétés minières. En termes de revenus, c'est très très différent. On va aborder la deuxième partie, c'est par rapport justement à cet impact-là dont on parle. L'impact euh, bénéfique des ressources minières, c'est les maires l'a dit, peut-être difficile à démontrer, euh, dans l'amélioration effective des conditions des populations. En tout cas, ceux qui vivent près des zones minières sont exposés au moins aux effets nocifs de son exploitation. Le développement des localités est presque inexistant, selon euh, certains, ce que les maires ont retracé, et l'impact quand même des produits chimiques sur la nature est palpable. Alors je vous propose de suivre ce témoignage d'un habitant de la ville d'Agadez euh, sur la transformation du, site du minerai d'or sur le site de Tazazarat, suivi d'un agent de la société des mines d'Azélique. C'est un témoignage, nous allons écouter. Je m'appelle Alher Fournoun, je suis dans le quartier de et J'ai une école de deuxième chance à côté de cette usine de traite de, de l'or. Et moi, ma printe, c'est le produit qu'on mélange pour du fer. Donc, c'est-à-dire le mercure qu'on mélange pour euh, traiter le fer. C'est ça mon aptitude que ça va arriver dans la nappe phréatique que Agadez consomme. C'est pas seulement pour Alher, non. Mon souci, c'est pour toute la population d'Agadez. Parce que le forage qui est consommé à il est à 600 mètres de cette euh, place qu'on fait la traite de l'or. Je suis sûr et certain qu'un jour à l'autre, ça va arriver dans la Nantes et on sent toujours, certes d'odeur, qu'on ne sait pas c'est quoi. On a vu la direction de l'environnement. Ils ont dit qu'il n'y a rien de grave dedans. Et nous, on a demandé de faire une analyse que tout le monde va les savoir. je m'appelle Garba Hamissou agent de la Somina. Vraiment, à la Somina, il n'y a pas mesure de sécurité, franchement, puisque si vous prenez les cas des travailleurs de la Somina, premièrement, les agents ne sont pas bien payés. Et deuxièmement, il n'y a pas mesure de sécurité dans la société. Exemple, même si un agent de la dette société est malade, il n'y a pas une dispensaire ou un hôpital qui peut, soigner cette personne-là. Il faut que cette personne aille au niveau des militaires pour se soigner là-bas. Il n'y a pas de conditions qui ont été prises là-bas pour euh, l'exploitation. Tous les carrières qu'ils ont fait, elles sont il y a même une carrière souterraine qu'ils ont fait, mais actuellement, la carrière, elle est ouverte, elle aussi. Nous tous, on connaît l'effet de la radiation. La radiation, vraiment, ça tue des personnes. La radiation, ça tue des personnes. C'est un témoignage euh, d'un certain nombre de citoyens. Alors, nous allons encore écouter un autre témoignage. Et là, nous allons partir à Arlit. Arlit, ville minière depuis plus de 40 ans. Là-bas, on s'inquiète beaucoup de la dégradation de l'environnement. Et je vous propose de suivre le maire d'Arlit, Abdourahman Maouli, qui donne des explications sur la ville d'Arlit en termes de naturel, en termes de faune, de flore. En tout cas, ça fait 40 ans le et senti Aujourd'hui, il n'est pas parce qu'on a de contentieux avec les sociétés sommaires communes qu'on le dit, on l'a dit depuis, quand ça allait très bien même, c'est que notre système, en tout cas l'environnement a pris un coup au niveau des départements d'Arlétique. Quel est, quel est le niveau de dégradation Je ne peux même pas les voir. C'est aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples. On l'a pas vu, on nous a raconté, on a vu que depuis un certain temps, en tout cas, les informations que nous avons eues d'après l'histoire avant, il y a 25 ans de cela, 26 ans de cela, 30 ans de cela, vous avez les chefs à côté, vous avez les animaux sauvages à côté. Le deuxième exemple, avec les régions radioactifs aujourd'hui, les gens ont tendance quand même à, être dans une atmosphère polluante. Tout ça apparente dans le cadre de la dégradation. Nous n'avons pas, nous ne pouvons pas les mesurer, mais nous les voyons, nous les sentons. L'environnement est dégradé à Arlis. Les moyens, les de le compenser sont très faibles. Les sociétés font, c'est un simulacre de, compensation, mais je ne pense pas que ça puisse se compenser. Quand je vous prends même en termes de carrière aujourd'hui, les villes qui sont abandonnées ici, et après, qu'est-ce qui va être légué à la population qui a tellement de villes de trous nous venons de suivre le maire d'Arlit. Euh, le maire, tout comme euh, les autres témoignages, euh, de façon générale, on retient que les, les, zones minières sont polluées, euh, qui a la radioactivité, et que d'une certaine façon, les carrières qui sont, qui sont ouvertes, même après exploitation. Mm-hmm. Est-ce que monsieur le maire de la commune de Tirozérine, Sonicha, j'avais 40 ans mm-hmm. qu'elle est avec vous, quel est l'impact oui, de, l'exploitation du charbon il faut, il faut, faut voir, Il faut voir les choses à deux niveaux. Le premier niveau, c'est quand même des ressources naturelles qu'on est en train d'extraire qu'on est en train de consommer sans payer un franc à l'État. Elles ne sont pas achetées. La Solichère, c'est une société d'État. Oui, mais en même temps, il faut quand même que lorsque cette société, dans son montage, il valait que le prix de vente du kilowattheure prenne en compte le fait que c'est quand même des ressources naturelles qu'on exploite et que l'État doit avoir les moyens de faire face à tout ceci. Ça, c'est important, c'est élémentaire. Ça, ça rejoint la question de la taxe. Voilà. Même s'il n'y a pas la taxe, si au moins on sait que l'État du Niger gagne dedans et que c'est pas seulement Arriva qui exploite, au moins on sait qu'on est rassuré, au moins ça, va à l'État, donc quelque part ça ira aux populations. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, au niveau de la pollution. La pollution, vous avez la pollution des nappes. Pollution des nappes. Pour Tyrosérine, vous avez la vallée de Tyrosérine. Sur une dizaine de kilomètres, aujourd'hui, l'eau est impropre à la consommation. ou impropre. La population ne peut plus consommer cette eau-là. La Sony le sait, tout le monde le sait. Il y a quand même tout ces tonnage toute cette défiguration du terroir qu'on fait 24 heures sur 24, on défigure le terrain, tous les désagréments qui vont, toute la poussière qui retombe sur la ville. Vous voyez, vous dormez à Tiro avec un, tissu blanc le matin, il est tout noir. Ça, c'est du fait de l'exploitation. C'est du, fait de l'exploitation, parce qu'il y a quand même la fumée avec des silices et il y a quand même un risque pour la santé et en plus de ça, vous avez quand même des problèmes de santé publique, comme, euh, comme par exemple la typhoïde, où c'est quand même carrément le fief de, cette maladie au niveau des thyroïdes. Mhm. Donc c'est tous ces aspects-là. La, liste est longue, si je vous comprends bien. La liste est longue. Euh, monsieur Manzo, c'est votre compréhension aussi euh, moi je crois que effectivement les impacts sont énormes. D'abord, les sols, les sols sont dégradés. Il y la nous assistons à la disparition de la faune et de la flore. Nous assistons aussi à, à, la présence, à l'introduction des nouvelles maladies liées à, l'exploitation de certains minéraux. Et nous avons vu tout récemment, un exemple de tout récemment, il y avait une maladie au niveau euh, d'Azélie qui a été déclarée. Jusque là, jusque là, c'est pas clair. Qu'est-ce qui a provoqué ça et c'est quelle sorte de maladie Une maladie dont au Niger on n'avait pas et médicaments. pour vous, c'est l'exploitation. Pour nous, effectivement, c'est lié à cette exploitation. Et nous avons vu comment cette exploitation a fait décimer de nombreux troupeaux de bétail qui en buvant cette eau-là. Et nous avons vu comment l'infection de la nappe, de la nappe phréatique en tout cas, A avancé nous allons permettre quand même à la Solichard qui est là de répondre. Euh, de façon générale, on parle à euh, tyrosérine, d'eau impropre, de sol dégradé. La liste est longue et vous êtes interpellé puisque c'est vous qui exploitez euh, depuis 40 ans. Tout à fait. Vous êtes présent. Je commencerai par dire que le charbon n'est pas radioactif. Il ne donne pas la typhoïde non plus. Nous faisons une exploitation à ciel ouvert, mais nous faisons le remblage progressif. Ça veut dire que le trou que nous faisons, plus on avance, plus on remblait plus on avance, plus on remplit, on ferme les trous que nous laissons arrière. Donc normalement, à la longue, au finish, il n'y aura que le dernier trou qu'on va chercher à remplir. C'est le, le, seul cas où il peut se poser un point d'interrogation. Je profite rapidement pour dire que l'ONG Agriman a organisé un débat, un forum à ce sujet-là, il y a quelques mois de cela. Vraiment, je félicite son président, c'est très important. Ça, c'est d'une manière générale. Mhm. Et qu'est-ce qui est ressorti de... Euh, chaque société a eu à présenter son cas. Vous, vous n'êtes pas pollueur En tout cas, pas dans le sens de radioactivité quand vous émettez avec de la fumée, nécessairement, la fumée, elle se, propage. Le projet auquel je faisais allusion tout à l'heure, quand ça va aboutir, vous ne verrez même pas la fumée, là. Tout au plus une petite vapeur blanche, On a cherché, dans l'actuelle installation, là, à corriger ce tissu là. Mais ça coûte trop cher. Et lorsqu'on a mis en place cette société-là, on ne faisait pas en ce temps-là l'étude d'impact environnemental lors d'un forum qui a eu le toujours pas la même ONG africaine ici à Agadez. oui, euh, Monsieur Tchassou, 40 euh, euh, ans que vous exploitez, vous n'avez pas pensé à ces mesures-là depuis longtemps Non, avant vraiment, l'environnement n'était pas une préoccupation sur le plan mondial. Ça fait déjà quelques années qu'on a que sur le plan mondial, même un financement, vous ne l'obtenez pas si vous ne donnez pas des garanties du côté de l'environnement. En ce temps, on a installé sans étude d'impact environnemental. Donc maintenant, c'est une préoccupation pour vous C'est une préoccupation pour nous. C'est parce que c'est trop cher qu'on n'a pas corrigé ce qui est en train de se faire. Par rapport à nous. On a eu à faire des études comparatives de cabinet par rapport à l'eau, par rapport à ce qu'on nous reproche. Mais on n'a pas tenu compte du résultat. La zone incriminée en particulier, frère, on a préféré lui faire une adduction d'eau directement. Et c'est ça qu'on a continué en train de faire. On a fait à Kampala, on a fait à Tonga, et même il on on y, y, a un projet que, j'ai laissé mm, pour les voisinages. Vous êtes déjà avancé par On est très avancé dans ce sens-là. On préfère ne pas tirer sur cet aspect-là, parce que l'eau, quand même, c'est important pour la population. On va, on va essayer de conclure en commençant par le maire. Euh, la taxe professionnelle, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut prévoir euh, pour en finir bon, Est-ce que je la pense que... va finir très tôt Quel genre de combat vous allez mener Non, mm. mais je pense qu'il ne s'agit pas d'un combat. Et de façon générale, pour l'exploitation des mines, qu'est-ce que vous préconiser voilà, nous euh, l'intérêt de la population voilà, Nous œuvrons tous pour la même cause. Là, l'État a fait un effort. Par loi, il nous a concédé un certain nombre de taxes. C'est à l'État de les mobiliser. Et nous, on va interpeller l'État. Effectivement, il y a un combat juridique qui va se, faire parce que la convention l'a décortiquée de A à Z. Nulle part, nulle part, quand vous l'étudiez et que vous mettez du sérieux dedans avec un minimum, un minimum vraiment d'équité, vous allez comprendre que ils ne sont pas exonérés. Comment vous voyez Tirozérine demain bah, L'environnement dont on parle, dont on dit qu'il est, pollué. Euh, bah, de toute façon, c'est une ville minière. Les villes minières sont, sont condamnées. On ne peut pas faire le, on peut pas faire autrement. Elles sont condamnées. Les villes minières, tant que les, les, ressources existent, elles vont être exploitées. L'homme va les exploiter. Si on les exploitait, on les exploitera. Demain, lui qui viendra. ceux qui viendront, les générations qui viendront, ils vont les exploiter. Donc, il faut faire en sorte que, le quand même, voilà il faut que au moins qu'il y ait des retombées pour les gens, de faire en sorte qu'on intervienne dans l'éducation, dans la santé, dans, dans l'hydraulique, au moins dans le développement social. Intervenir dans le développement social, c'est le maître mot du maire Et ça, c'est qu'avec la taxe professionnelle qu'on peut le faire parce que ça, ça ne souffre de rien. Merci beaucoup. Monsieur Manzo, votre conclusion ah, Moi, je crois que. Euh, je crois que, penser à la population Oui, et je crois que ces sociétés-là sont des excellents pollueurs. Ça, nous le savons. Mais maintenant, c'est de prévoir des compensations. Il y en a, on pouvait créer des activités génératrices de revenus, ils peuvent créer beaucoup de choses qui peuvent compenser parce que ils, ont détruit nos vies. Monsieur Tchaza, conclure avec le grand projet dont vous parlez pour soulager les populations de J'insiste que notre convention est bien valable. Voilà, Ensuite, laissez-moi terminer. C'est les En même temps que vraiment, je suis pour cette population-là. Mon rôle de conseiller DG m'a amené jusqu'à l'intérieur profond de cette zone-là. Et vraiment, je suis pour cette population-là. Sauf Tout ce que je <laughs> souhaite. pour les pas de Tout ce que je souhaite. Quand l'État va revoir le cas des populations comme vous le souhaitez, uh-huh. et eh bien, il va revoir également le cas de la Sonichar. Parce que ça ne sert à rien d'opérer la poule aux œufs d'or pour chercher à voir l'or qu'il y a là-dedans. Ça ne sert à rien les villes, les villes minières ne sont pas condamnées. La même ONG hmm. elle compte organiser un forum sur l'après-société minière. Il n'y a pas de raison que ces villes disparaissent parce que les mines vont fermer. Par rapport aux pollueurs, nous ne sommes pas pollueurs. Il ne faut pas dramatiser les choses. Hmm. Il y a, de l'espoir. Voilà. Merci beaucoup pour cette conclusion. Nous avons eu comme invité le maire de la commune de Chirozirine, Issouf Agmaha. Et nous avons eu aussi le représentant de la Sounichar, qui est une des sociétés incriminées pour la taxe professionnelle. Il s'agit de Tchassa Issouf, conseiller du directeur général de la Sounichar. Et enfin, nous avons eu euh, comme autre invité Salif Manzou, acteur de la société civile d'Agadez. Voilà, c'est la fin de ce débat, de ce forum. Bonsoir. Merci à tous.